la Russie a appelé à un front uni contre l'Occident lors de la tournée latino-américaine de son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Cette visite intervient dans un contexte de tensions croissantes entre la Russie et l'Occident, notamment en raison des sanctions économiques et politiques imposées par les pays occidentaux à la Russie. Sergei Lavrov a rencontré plusieurs dirigeants latino-américains, dont le président cubain Miguel Díaz-Canel, le président vénézuélien Nicolas Maduro et le président bolivien Luis Arce. Lors de ces rencontres, il a appelé à une coopération renforcée entre la Russie et les pays de la région, en mettant l'accent sur les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de l'industrie. Sergei Lavrov a également critiqué les sanctions imposées par l'Occident à la Russie, les qualifiant de chantage politique visant à affaiblir la Russie sur la scène internationale. Il a appelé les pays latino-américains à rejeter ces sanctions et à soutenir la position de la Russie sur la scène internationale. Cette tournée latino-américaine de Sergei Lavrov intervient dans un contexte de tensions croissantes entre la Russie et l'Occident, notamment en raison de la crise en Ukraine et des accusations d'ingérence russe dans les élections américaines. La Russie cherche à renforcer ses relations avec les pays de la région dans un contexte de confrontation avec l'Occident. En conclusion, la tournée latino-américaine de Sergei Lavrov souligne l'importance de la coopération entre la Russie et les pays de la région dans un contexte de tensions croissantes avec l'Occident. La Russie cherche à renforcer son influence sur la scène internationale en appelant à un front uni contre l'Occident et en développant ses relations avec des partenaires clés dans des secteurs économiques clés.